jeunes, Amis bonsoir, ravi de vous retrouver sur l'actu des jeunes de ce samedi, votre émission préférée du week-end, bien sûr. Moi, c'est Rabia Meikano et à mes côtés, j'ai Mira Rouafi, ça va Oui, je vais bien, Bibi, toi Ça va bien. Alors, tu as quoi pour nos amis jeunes ce soir Mira, le mercredi 21 septembre, c'était la journée internationale de la paix. Au Niger, à cette occasion, un tournoi de jeux d'échecs a été organisé par la Fédération nigérienne des jeux d'échecs Fénijec à Niamey. Puis dans le mini-mag, nous verrons comment les jeunes femmes utilisent les méthodes contraceptives de longue durée. Et enfin, notre passeport. Le 21 septembre de chaque année est célébrée la Journée internationale de la paix. Au Niger, cette année, plusieurs activités se déroulent à l'initiative de la haute autorité à la consolidation de la paix, HACP. C'est le cas du tournoi de jeux d'échecs organisé par la Fédération nigérienne des jeux d'échecs à l'arbitre principal Borema Adamu Noma. Il était au micro de Ali Tajissir Ahmed. C'est un mini tournoi et nous avons voulu faire euh, cela en système suisse avec trois euh, grandes catégories. Une catégorie senior, une catégorie étudiants et une catégorie élèves. Nous avons une euh, participation massive au niveau des seniors, au niveau des étudiants également. Nous sommes convaincus de l'utilité de ce jeu au niveau surtout euh, scolaire, au niveau de la jeunesse pour euh, sa promotion et pour la promotion des valeurs qu'incarne ce jeu. Il s'agit des valeurs de paix, des valeurs de cohésion sociale et des valeurs de tolérance surtout. vous voyez, il faut être très patient pour jouer et mater son adversaire. Le mardi 20 septembre, la coalition des femmes et des filles contre les violences basées sur le genre, COFEF, a organisé une journée de plaidoyer contre le mariage des enfants. Et c'était en présence de plusieurs organisations et plateformes de lutte contre le VGB. Assalamu Mekelema, la coordinatrice nationale de la coalition, nous en dit plus. Elle est au micro du Fanta Chamsou. La semaine dernière, nous avons adressé nos plaidoyers aux organisations internationales et systèmes des Nations Unies qui sont dans l'humanitaire, puisque notre coalition est engagée dans la réponse au VBG en situation d'urgence. Aujourd'hui, il s'agit d'une activité euh, d'action de plaidoyer adressant les, les questions de mariage des enfants et violences sexuelles et sexistes l'endroit des autorités, décideurs de notre pays, pour renforcer les dispositifs juridiques et politiques nationaux. Direction d'Osso à présent, plus précisément dans la commune urbaine de Berningauré, nombreux sont les jeunes qui exercent le métier de conducteur de taxi-moto appelé Kabu » une activité très prisée euh, par les jeunes du Boboy qui malheureusement rencontrent des difficultés. Le reportage de Soumana Amadou. Ils sont plus de 300 jeunes conducteurs de taxi-moto dans la commune de Burning Gauré. C'est grâce à ces activités qu'ils gèrent leurs besoins quotidiens. Seulement, des difficultés sécuritaires et des tracasseries routières constituent des obstacles à la bonne marche de leur activité. Suleiman Hassan, victime d'une agression raconte. Une nuit en rentrant à la maison, je me suis arrêté pour prendre un appel et soudain un homme vint m'ordonnant de lui remettre tout ce que j'ai sur moi. Ce soir-là, je lui ai remis les 5000 francs, il me fouilla et récupéra les restants, puis il sorta un couteau pour me poignarder. Le mauvais état des routes reliant les localités, les taxes et le manque de pièces pour leurs engins sont aussi entre autres problèmes que ces jeunes conducteurs taxi-moto rencontrent. Karim, conducteur de taxi moto, explique. La ville ne dispose pas de bonnes voies. Nous souffrons pendant la saison des pluies. La police également nous fait souffrir parce que nous ne disposons pas des pièces légales qu'il faut. Pour les établir aussi, il faut de l'argent. Le président des conducteurs de taxi moto de Birmingham, Hamidou Bello, lance un appel à nos patrons d'établir les pièces de l'assurance pour les motos et de faire le permis à chaque employé. Je conseille également les conducteurs de ne pas prêter service à celui qu'ils ne connaissent pas, qu'ils cessent le support à trois également. Je les conseille également, après 20h30, de ne pas sortir de la ville. À présent, place au Minimag. Le Niger enregistre des progrès dans le domaine de la pratique de la panification familiale. Alors, dis-moi quel est le rapport avec les jeunes, Mira. Ah, ma très chère, tiens-toi prête. Grâce aux multiples sensibilisations aujourd'hui, elles sont nombreuses les jeunes filles qui utilisent les méthodes contraceptives de longue durée. C'est maintenant que j'ai compris pourquoi le taux de fécondité est passé de 7,6 enfants par femme à 6,2. suivant Habib Garba pour plus de précision. Booster les femmes nigériennes à pratiquer la planification familiale ou l'espacement des naissances, c'est l'objectif fixé par les autorités sanitaires. Pour ce faire, le Niger a souscrit par exemple au partenariat de Ouagadougou qui s'est fixé aussi comme objectif d'avoir 13 millions de femmes utilisatrices des méthodes contraceptives d'ici 2030 dans les 9 pays francophones de l'espace CDAO membres du partenariat. Mariba la directrice générale du partenariat de Ouagadougou. Ce nouvel objectif de 6,5 millions de femmes additionnelles pourra être réalisé, mais c'est là que c'est extrêmement important de pouvoir inclure et agrandir notre communauté. C'est l'implication également des jeunes qui est extrêmement importante. Cette nouvelle génération, je pense que dans les pays du PO, à peu près 60 à 65 de nos populations ont moins de 25 ans. Donc de pouvoir les inclure dans ces, stratégies-là. Des sensibilisations menées ont porté leurs fruits aujourd'hui. Nombreuses sont les jeunes filles ou femmes qui utilise les méthodes contraceptives de longue durée pour éviter les grossesses non désirées. Écoutez quelques jeunes filles utilisatrices. Moi, j'utilise euh, l'implano pour me protéger des grossesses non désirées. Je le préfère à la capote tout simplement parce que je me sens plus à l'aise en intimité avec mon corps. Moi, j'utilise l'implano. Ça m'évite les va-et-vient les centres de santé. Si je les mets, il faut trois ans pour les retirer. Les hommes n'aiment pas le condom. C'est pourquoi je l'utilise. La méthode de longue durée, très encouragée, permet d'éviter les avortements. Madame Nazif Nana Mariama, point focal planification familiale d'Agadez. L'intérêt de ce contrat pour ces jeunes filles, ça les aide vraiment à éviter des grossesses non désirées qui leur poussent à faire des avortements clandestins. Les méthodes contraceptives, pour espacer les naissances, pour vraiment éviter les complications qui se viennent pendant la grossesse, pendant les travaux et lors de, l'accouchement. En juillet, l'enquête nationale sur la fécondité et la mortalité des enfants des moins de 5 ans et la femme Niger 2021 a fait ressortir une baisse importante d'indices synthétiques de fécondité ISF où le nombre moyen d'enfants par femme, qui était de 7,6 enfants en 2012, est passé de 6,2 enfants en 2021. Tout de suite, le sport. a... Fédération nigérienne d'athlétisme lance la première édition du meeting international de Niamey. Les champions et champions nigériens ont couru avec ceux du Burkina Faso, du Ghana, du Bénin et du Togo. Le lancement a eu lieu ce samedi 24 septembre au stade général Seine-Kunche de Niamey. En football, le samedi dernier des compétitions du TGV ou Coupe de la Renaissance de Douchi. 18 équipes étaient engagées. C'est Zarumé FC qui est championne après avoir battu AS Chama par 5 buts à 4 à l'issue des tirs au but. C'est tout pour aujourd'hui, amis jeunes. On se dit demain pour plus d'infos sur l'actu des jeunes.